Bien sûr, pourquoi pas Parce qu'on a été accompagné par notre président, le futur, on dire le président du Sénégal en 2024, président Ben Donc, euh, non seulement là on a euh, on a focus sur le parti politique mais juste sur l'aspect humanitaire et sanitaire ce qui fait qu'on aura forcément d'autres journées parce que defal askan a ce qui fait que on aura d'autres journées dalal la bu ko defee ñu gën a euh, nekk ci liggéey bi rek incha allah bon euh, instant bi on tourne autour de 1000 femmes. Merci, lañ fiy xaar parce qu'on a eu des listes et bien remplies Inch'Allah. d'accord juste nous bañ hard, xaar parce que li nga xam ne dafa jëmblu si si vergouillaram, yaram dafa sensible di woo suñu mbokku jigéen de muy xale yi nga xam comme ay de 7 ans à 14 ans te duggaguñu ci le sey. ñu dem ñu ñu ñu vacciner parce que am vaccin bo xam ne loolu moo tax mu jóg ñi nga xam ne borom kër nous tuons ci néegu sëy bu ñu parce que ñun sénégalais on a tendance à ce temps tant que feebar atteindre ñu rek duñu jóg T'as di prévenir suñu bopp dafa nekk lu am solo tout le temps ñu dem di di seet suñu bop. ngir xam exactement nous nañuy waajale balaa dara di nous daal Wow, parce que Thiaroye dafa euh, on peut dire centre à peu près si banlieue Il y a tellement de monde qui habite ici plus particulièrement les femmes te on peut dañ fi fekk ci suñu euh, suñu benn coordinatrice muy Bintou Diop mu nekk jigéen bu jamba nekk ci cité bi di fi liggéey donc on s'est dit pourquoi pas si banlieue bi parce que certes mën nañ ko defee woon ci centre ville bi en ville mais on s'est dit que banlieue bi ñoom ñoo nekk ñi nga xam ne peut-être les moyens sont peu diminués demee fa noonu moo taxoon ñu nañ ko defee fii nii. est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ki nga xam ne moom moo organisé euh, journée bi mhm. di benn euh, mën a accompagner ñi nga xam ne bon comme je l'avais bien sûr comme je l'avais dit tout à l'heure tey jii defe naa pour sensibiliser def ay dépistage bëgg nañ mu am suivi pourquoi pas tey jii xamuñu finalement lañ fi parce que commencé guñu sax ça? luñ fi mën a jëlee incha allah la j'en suis persuadée que ne le président il sera d'avis pour accompagner jigéen ñoon est-ce que na octobre doy na pour ñu pourquoi pas comme je l'ai dit tantôt bi mooy suñu première sortie donc là on s'attend à ce que nous commençons bu nous nous nous ñu ñu ñu ci bu ñu woowee jigéen pour sensibiliser leen parce que octobre rose bi dafa octobre mois bon hamne ne jigéen dañ ci gën a dañ ko gën a donc pourquoi pas yenen yenen mois ñu def même yenen yenen euh, activité yoo xam ne ci wàllu euh, santé la jëm incha allah voilà Merci beaucoup. Donc, c'est un plaisir d'avoir répondu à l'invitation de la jeunesse féminine du parti Passe-Passe qui nous a conviés à cette rencontre de sensibilisation, mais aussi de dépistage sur euh, l'activité naturelle qu'on organise sur le mois d'octobre, qui consiste véritablement à organiser une activité pour les femmes, pour la détection et la sensibilisation du euh, cancer des seins et des cancers de l'utérus. Donc c'est avec un plaisir que nous avons répondu nous tenons véritablement à les féliciter et les encourager. Comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas de coutume de voir les partis politiques organiser ces genres d'activités. Donc c'est une activité qui a un double sens, une activité sensibilisation, une activité politique. Donc c'est pour ces raisons que je suis venu avec euh, tout le cabinet, accompagné par euh, les adjoints au maire et l'ensemble du cabinet, pour venir marquer de notre présence à ces activités et féliciter vivement la jeunesse du parti Passeport. Tantôt je l'ai dit, hein, je crois que je tenais à les féliciter. À les féliciter le fait d'avoir organisé cette activité. Ils pouvaient véritablement opter d'organiser un meeting, ils pouvaient véritablement opter d'organiser une caravane, mais en, en marquant véritablement l'activité phare de cette journée, véritablement d'organiser une journée de sensibilisation en, partenariat avec le poste de centre de Tcharoy. Donc véritablement, c'est un, un, un, sentiment de fierté, un sentiment de satisfaction de les avoir reçus dans la commune de Gard. Donc de leur dire toutes nos satisfactions et de leur dire aussi tous nos remerciements d'avoir choisi la commune de Gard. Naturellement, au-delà de la jeunesse féminine, l'appel que nous faisons à la jeunesse, c'est véritablement de continuer sur cette démarche. Parce que, comme euh, j'ai l'habitude de le dire, ce pays nous appartient. Ce pays est constitué à 65% de jeunes. Donc il faut véritablement, comme ils l'ont fait, venir participer au développement du pays. Et participer au développement des pays, on ne peut pas exclure véritablement la politique. Donc je vous encourage à aller de l'avant et je vous souhaite véritablement bon sens par rapport aux activités futures à venir di commencé di sant di gërëm wa parti Pass-Pass surtout nak sa jeunesse féminine bi nga xamni dañu ñëw organiser une activité en partenariat en collaboration avec le poste de santé de Thiaroye comme li ma wax rek li ñi organiser parti politique la parti politique tay di pouvez opter sur ce même lieu organiser meeting buñ neexoon organiser caravane mais dañu ñëw xol li nga xamni si weer bi muy weeru octobre rose loolu la ñu organiser ñu ñëw nag organiser une journée de sensibilisation et de et de et de consultation gratuite donc loolu je vraiment tenais à les remercier vivement par rapport à activité bi nga xam ni porté nañ ko leur choix sur la commune de Thiaroye Gare. waaw sentiment sentiment de fierté la comme may wax rek la jeunesse féminine de euh, Passe Passe ñëw nañ au niveau de la commune de mais au niveau de la commune de thiaroye au niveau de l'institution, nous avons une invitation donc le moo de journée c'était une journée chargée mais nous avons sur activité nous assistons assister ko pour voir nous parce que nous avons ko porter leur choix sur d'autres communes au delà du département de Pékin, ils pouvaient porter leur choix ailleurs donc le fait véritablement de ñëw Thiaroye nous dañ gërëm